le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le les 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum d'Issidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio Kalangou a pour thème programme de mise à niveau ou programme rénové. Diffusé difficultés et avancer dans sa mise en œuvre. Les évaluations nationales et internationales ont montré que le niveau des élèves nigériens est très faible. Face à cette situation, le ministère de l'enseignement primaire a jugé nécessaire que les élèves aient les prérequis nécessaires pour aborder un nouveau programme. Ainsi, pendant le premier trimestre de cette année scolaire en cours, des prérequis seront travaillés, d'où le nom du programme de mise à niveau. Donc, la stratégie pour y arriver consiste à faire d'abord un pré-test, puis l'analyse des résultats et ensuite mettre en place un dispositif de remédiation et faire un post-test. Avec euh, nos invités, nous allons faire un état de lieu sur le programme rénové avec euh, les fascicules qui l'accompagnent, les difficultés et les avancées constatées dans sa mise en œuvre. Pour ce faire, nous avons donc dans ce studio B Ali Issa Willy, directeur de la au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Ali Issaouili, bonsoir. Bonsoir. Issoufou Arzika, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, ISNEN, et coordonnateur de la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation au Niger, FUSEN. Issoufou Arzika, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Et El Hajj Amadou Mahamadou, coordonnateur de l'Observatoire des performances de l'école Niger nigérienne Open Niger, El Haj Amadou Mahamadou. Bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Ali Issa Willy, à la date d'aujourd'hui, quelle est la situation du système d'encadrement et d'enseignement au sein des établissements primaires au Niger Merci, M. Mokhtar. Je dois d'abord remercier le studio Kalangu pour l'opportunité qui m'est offerte pour euh, échanger avec euh, vous autour des initiatives qui sont en cours au ministère de l'enseignement primaire dans le but de relever le défi de la qualité. Mais je voudrais d'abord apporter quelques précisions dans votre note introductive. allez Il y a un éclaircissement apporté par rapport au programme de mise à niveau et le programme rénové. Ce que le programme de mise à niveau, soit dit, mais c'est plutôt une stratégie de mise à niveau des élèves. Le programme à proprement parler, c'est le programme rénové qui normalement sera mis en œuvre à partir du mois de janvier. Voilà un peu la précision. Ces deux choses qui se complètent, mais qui ont aussi leur réalité propre. Monsieur le directeur, quelle est la différence entre ces deux programmes Le premier, je le disais, c'est beaucoup plus une stratégie qu'un programme. Pourquoi euh, une stratégie Parce que le programme de mise à niveau n'existe pas avant l'évaluation ou le prétest, mais c'est après prétest que se programme-là prend en forme en fonction des résultats du pré-test. Et en fonction de ces résultats, il est mis, comme vous l'avez dit dans votre note introductive, il est mis en place un dispositif qui prend en compte les résultats du pré-test pour procéder à des rémédiations. Et la rémédiation consiste à quoi La rémédiation consiste tout simplement à revoir le niveau des élèves, puisqu'on est en début d'année scolaire, je vais être très très euh, précis. Les élèves de CI de l'année passée, ils vont passer cette année au CP. Ceux de CP passent au CE1, ceux de CE1 passent au CE2, ceux de CE2 passent au CM1 et ceux du CM1 passent au CM2. CM2. Donc le programme de mise à niveau consiste juste à voir est-ce que les élèves de CP qui vont passer au CE1 ont maîtrisé les prérequis de base, c'est-à-dire les savoirs de base dans les disciplines fondamentales, à savoir la lecture et les mathématiques, avant de passer au CE1. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre en place un dispositif de remédiation de façon à ce que, au bout de trois mois, ils puissent être à niveau de pouvoir aborder le programme nouveau qui est le programme de CE1. Comment ça se passe concrètement, monsieur le directeur, euh, dans sa mise en œuvre Comment ça se passe sur le terrain Sur le terrain, euh, il y a eu d'abord ce que nous appelons l'élaboration des items d'évaluation de type diagnostic. J'insiste sur l'aspect diagnostic parce qu'il fallait élaborer les items de telle façon que on puisse identifier pour chaque élève à quel niveau il y a eu le blocage. je prends un exemple concret, si vous prenez la lecture par exemple, les savoirs qui sont enseignés aux élèves, c'est de l'ordre de 4. Les graphiques, la combinaison des graphies qu'on appelle les syllabes, la combinaison des syllabes que nous appelons des mots et la combinaison des mots qui constituent des suites de mots ou de phrases. Si un élève a eu des difficultés à reconnaître les graphies, il va de soi qu'il ait plus de difficultés à reconnaître des syllabes. Et par la suite, il aura beaucoup plus encore de difficultés à reconnaître des mots et à pouvoir lire des suites de mots. Donc, l'aspect diagnostique consiste effectivement à soumettre tous les élèves à des items graduelle, graphie, syllabe, mot et suite de mots. Et après correction, on constatera à quel niveau un élève a eu des difficultés. Parce que tous ceux qui auront des difficultés à reconnaître les graphies, pour les autres euh, niveaux, il n'y a plus de considération à faire. Ça veut dire que cet élève-là, il faut le prendre au graphie si on veut qu'il remonte les difficultés. Celui qui a eu des difficultés aux syllabes, c'est aux syllabes qu'il faut le prendre en charge. Celui qui a eu des difficultés au mot, c'est au mot qu'il faut le prendre en charge. Et celui qui a des difficultés au niveau des suites de mots ou la, compréhension des sens, c'est là qu'il faut le prendre en charge. Mais puisque, de façon pratique, on ne peut pas prendre un élève au cas par cas. Pédagogiquement, c'est pratiquement impossible. La littérature pédagogique parle de pédagogie différenciée, mais du point de vue au niveau opérationnel, on ne peut que regrouper les élèves par groupe de difficultés. C'est ce que nous avons proposé au niveau, lorsqu'il y a eu évaluation, dépouillement, analyse, catégorisation, on fait deux catégories d'élèves. Les élèves qui ont des difficultés, je prends le cas toujours de la lecture, qui ont des difficultés à reconnaître les graphies et les syllabes, on considère qu'ils ont des difficultés très proches. Cela, on les prend en charge à part. Ceux qui ont des difficultés au niveau de la reconnaissance des mots, et des suites de mots constituent également le second groupe. Voilà comment, du point de vue pédagogique, les choses ont été organisées pour pouvoir les prendre en charge. Et cela aussi, nous l'avons effectivement accompagné d'une stratégie de gestion de classe. Comment l'enseignant va prendre ces deux groupes alternativement. Monsieur le directeur, euh, avez-vous constaté des avancées sur le terrain C'est un peu trop tôt de le dire. Euh, il ne faut pas dire les choses euh, au hasard. Ça vient juste de commencer parce que ça a pris du retard pour plusieurs raisons mais je viens de l'intérieur du pays et les échos que j'ai pour le moment sont encourageants. Mais ce qui est sûr du point de vue euh, technique, nous pensons que les choses sont au point et que euh, les changements que nous attendons par rapport à ça viendraient certainement avec le temps. Monsieur le CG du et quelle est votre appréciation au sujet du nouveau programme de mise à niveau et le programme rénové en cours d'exécution dans les établissements primaires au Niger eh ben, merci au studio Le programme Rénové en lui-même est une initiative que, en tout cas à notre niveau, nous saluons parce que nous nous, étions arc au fait que le système éducatif est en urgence une urgence euh, hospitalière, même si vous voulez. <laughs> Parce que nous avions fait en 2016, je parle sous le contrôle du camarade euh, et grand frère Al-Haji, et nous avions mené un débat sur une télé de la place euh, sur la revalorisation du système éducatif nigérien, notamment à l'occasion de la journée d'action mondiale pour l'éducation. Le terme programme d'urgence, je crois que nous étions presque les premiers à en parler à l'époque. Camarade Al-Haji, si vous vous rappelez, lorsque j'avais dit que nous sommes comme dans un état d'urgence par rapport au, à l'état de notre système éducatif et qu'il faille que euh, rapidement on aille vers un programme d'urgence ou un plan d'urgence. Voilà, c'était le terme, l'expression que j'avais utilisée. Et je crois à l'époque, un cadre du ministère qui était présent disait qu'il n'en avait pas besoin parce qu'ils ont leur PCF. Et j'ai rétorqué que le PCF, c'est très large, c'est très global. Mais nous avons une situation qui est là ponctuelle. Toutes les cohortes d'élèves qui sont sur l'état actuellement n'ont pas de chance d'avoir des acquis scolaires leur permettant l'insertion socio-économique. Alors il faut marquer une pause et peut-être commencer à faire du bon pour ne pas tout rater. Moi, j'étais heureux de constater, chemin faisant, que le ministère a parlé d'un programme d'urgence qui, même si à son origine n'était pas parti d'un état des lieux, et c'est ce que nous déplorons avec le ministère, nous saluons sa volonté de, de vouloir innover, de vouloir corriger, mais c'est que dans les méthodes, il y a un peu d'orgueil qu'on met à croire que... Vous faites allusion à l'exclusion Oui, effectivement, croire que bon, tous les autres ne peuvent rien apporter, ils ont assez d'expertise pour le faire seuls. Non, je crois que les représentants d'enseignants que nous sommes avons aussi nos, échos. Nous avons aussi nos données parce qu'il arrive que les enseignants viennent se plaindre chez nous par rapport à ce qu'on leur fait faire dans les classes. Et je crois que lorsqu'un enseignant se plaint auprès de son syndicat, c'est qu'il ne peut pas le faire parce qu'il ne sera pas audible auprès de l'administration. Donc c'est une, initiative dans le contexte actuel, du renforcement de l'enseignement professionnel et technique et de l'état actuel du système éducatif, rien que les deux réseaux-là, donnent une certaine légitimité, une certaine euh, valeur à l'initiative de rénover. Maintenant, le programme en tant que tel, nous l'avons certes parcouru en diagonale parce qu'on ne l'a pas fouillé de fond en comble. nous avons ce que nous apprécions dedans, mais en dehors du programme de la mise en œuvre, il y a ce que nous déplorons beaucoup et ce que nous apprécions. C'est cela aussi l'objectivité. Ce que nous, nous apprécions beaucoup dans le système, dans le document, c'est les détails. Vraiment, l'enseignant qui arrive à le parcourir, on ne l'a pas laissé comme ça aller. Non, non. Le programme en tant que tel qui sera mis en œuvre à partir de, janvier. Le programme rénové. Il y a ces détails. Ces détails, c'est vrai. Mais c'est beaucoup aussi. Oh, le programme rénové à son origine était fait pour alléger les programmes de 1988, que nous avions décrit tout le temps d'ailleurs. Les programmes de 1980 avaient l'ambition d'être des programmes qui intègrent la dimension scientifique, qui permettraient l'enfant dès le, le, le, préscolaire, comment c'est qu'ils appellent le prémat, parce qu'il y a justement la technique et la science qui sont en train de se développer. Et un pays qui n'a pas ça, en tout cas, il, ne peut pas être dans le concert des États qui veulent émerger c'était apprécié, mais malheureusement, c'était mal fait là aussi, 1988. Nous craignons que l'État et le gouvernement ou le ministère, dans sa précipitation, ne commettent les mêmes erreurs, justement, que celles commises pendant la mise en œuvre des programmes de 1988. Nous craignons ça. C'est pourquoi nous saluons son avènement, franchement. Et le contenu, je ne dis pas tout le contenu, mais j'ai suivi un peu le, j'ai un peu parcouru les, les déroulements des choses. Vraiment, il y a un détail Presque c'est un cahier de préparation. Pratiquement, presque, je ne dis pas tout à fait, mais vraiment tous les détails ont été donnés dans les, démarches à suivre pour l'enseignant pour que l'élève puisse quand même acquérir. Maintenant, il y a deux choses. Ce que nous déplorons, et c'est un peu d'abord en termes de contenu, le fait qu'on a pris trois mois de liberté pédagogique qu'on a donné aux enseignants. C'était bien, parce que nous avons aussi défendu la liberté pédagogique, qui n'y a pas tellement au Niger. On, amène euh, les instructions officielles à l'enseignant, c'est comme si c'est un livre dogmatique. C'est ça ou rien. Alors que dans certains pays qui ont fait développer leur système, il y a une liberté relativement, une liberté relative pédagogique aux enseignants d'essayer quelque chose, en tout cas dans leur classe. Et les experts viennent, ils les suivent. Ils collectent souvent les pratiques innovantes des enseignants et à partir de là, souvent, ils construisent même d'autres concepts qui vont être adoptés. Mais au Niger, je sais de quoi je parle, j'en ai été victime. J'ai essayé de faire euh, ma petite euh, ruse d'enseignant, mais j'ai été condamné par l'inspecteur. Pourtant, les, enseignants, les élèves ont appris suite à ça. Mais on m'a dit non, non, tu fais ce qu'on a dit de faire ou rien, tu laisses. Bon, je crois qu'il faut cette liberté. On l'a donnée maintenant, c'est bien. Mais est-ce que les enseignants sont mis dans les conditions de pouvoir, pendant les trois mois-là, véritablement savoir ce qu'ils vont faire nous avons eu quelques plantes des enseignants qui nous disent... Il n'y a, pas eu de formation dans ce sens Non, en réalité, il n'y a pas eu de formation. Justement, c'est le deuxième volet, c'est ça. Il n'y a pas eu assez de formation même pour le programme, programme renouvelé. Écoutez, on ne peut pas faire un tel programme. Vous, avez mis, c'est vrai, vous avez été rapide à, le monter, je sais pas quand, mais vous avez mis des mois à le faire. On amène ça à un enseignant. On lui dit d'aller lire ou à la rigueur un jour devant son directeur pour comprendre le fascicule. Il y a un problème les erreurs qu'on va commettre avec le programme de Nouveau risque d'être plus grave que celle commise. Parce qu'au moins, en on a quand on a commencé à mettre en œuvre en 1996, je crois, si je ne me trompe, on a commencé un recyclage. Mais dès que le financement s'était coupé, bon, on a arrêté. Et les enseignants se sont mis à se, débrouiller avec le programme de 1988. C'est circulaire qui dit fait ceci. Demain, c'est notre circulaire qui dit parce qu'on tâtonnait. Le ministre constate, les inspecteurs lui rapportent qu'il y a problème, on fait une circulaire. Faites ceci. Ce qu'on vous a dit de ne pas faire hier, demain, on vous dit de le faire. Le lendemain, on vous dit non, déposer ça de côté ou ajouter d'autres choses qu'on vous a encore interdit avant-hier. On a tâtonné, nous sommes arrivés au résultat actuel. Mais il faut qu'on évite ça avec le programme. C'est une chance de partir à nouveau pour de bonnes choses. Mais il faut partir bien. Il faut prendre le temps de le faire bien. Les enseignants n'ont pas été formés. La formation du personnel enseignant n'a même presque pas eu lieu. Lorsqu'on a appelé les, les, directeurs, je crois, pour une formation de quelques jours, d'abord, il n'y a pas le support, M. Mokhtar. On ne peut pas faire de formation sans support. Ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone, parce que l'État n'a pas outillé les enseignants avec un téléphone. On leur envoie ça sur clé, on dit allez imprimer vous-même. Les directeurs d'école partent imprimer eux-mêmes. De toute façon, nous avons appris qu'il y a des dessous dans cette affaire, parce que les partenaires financiers auraient donné l'essentiel pour faire les, les supports en hard. Mais où est-ce qu'est passé l'argent On ne sait pas. Et on a demandé à nos camarades d'aller imprimer les fascicules qu'ils doivent utiliser alors que l'État devrait venir avec ça. Et maintenant, les enseignants eux-mêmes, les directeurs se sont débrouillés pour imprimer. Mais est-ce qu'ils peuvent, est-ce que c'est au directeur de mettre la, la main même pour ses propres documents didactiques en classe, s'élever pour sa culture peut aller acheter. Mais pour la dotation de l'établissement, nous pensons que c'est à l'État de, doter l'établissement en, support euh, didactique et pédagogique. Mais c'est aux enseignants qu'on a demandé d'aller le faire. Ils se sont débrouillés, les directeurs. Maintenant, les mêmes directeurs souvent passent de bureau en bureau, de cousin, de chez un cousin, chez une soeur, chez une tante, il faut me faire ça parce que il faut que j'en je, donne à mes enseignants. je crois que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et nous avons reçu les preuves palpables qu'il n'y a pas eu de documents. Il faut corriger ça. Il faut rapidement corriger ça. C'est une très belle initiative. Je vous assure, il ne faut pas la rater. Nous sommes dans un contexte même d'ailleurs où le PCF que nous avions fait, c'est vrai, il reste pertinent. Nous avons repris beaucoup de pertinence du PCF pour mettre dans le PTCF. Mais ce contexte-là, une chance est là. Nous avons un nouveau programme de transition pour trois ans où nous serons évalués s'il faut continuer à nous faire conscience ou pas. Et nous voulons avoir une initiative qui est d'abord salutaire. Mais est-ce que nous n'allons pas commettre plus grave qu'auparavant lorsque nous mettons très mal en application en tout cas ce qu'on appelle programme rénové. J'ai vu un fascicule appelé fascicule stabilisé. Il y a un programme rénové et il y a justement la question de la, de la mise à niveau. Moi, je crains que si le programme rénové va continuer à partir des, classes, en tout cas ciblées, euh, CI, CP, je crois CE1, c'est qui est une bonne chose. Il y a aussi des mesures parce qu'il faut stabiliser. Je compte à deux communs d'accord avec les. Il faut stabiliser les enseignants qui vont tenir ces classes-là. C'est-à-dire l'enseignant qui commence au CI, qu'on lui fasse la proposition, il ne faut pas lui imposer. Il faut aller vers un engagement de commun accord. Si tu es d'accord pendant les trois ans, tu vas tenir le CI. En fait, tu vas tenir le CI pendant les trois ans pour te renforcer dans la conduite des CI. Toi qui prends le CP, dans le cadre du programme rénové, tu acceptes. Pourquoi même ne pas aller par une petite compensation Pourquoi on croit que donner de l'argent à un enseignant, c'est gratuit parce qu'il doit le faire Aller à une petite compensation pour encourager ces enseignants-là qui ont été les CI pendant trois ans, et les CP pendant trois ans, le CM pendant trois ans. On aura eu en tout cas une sorte de vague en tout cas, et, comment on appelle, promotion, programme renouvelé, dont les résultats, moi, à mon avis, si tout est mis en œuvre correctement, avec euh, des, évaluations à mi-parcours pour corriger. Le directeur vient de dire qu'il ne peut pas prétendre que tout est bon et qu'on peut dire que c'est bon. Non. Quand on crée un programme, on ne peut pas dire tout de suite, il est même bon, il est réussi. Non. On le met en œuvre et on fait une évaluation. Ça, c'est la plus petite intelligence de mise en œuvre qu'il dit. On fait une évaluation et on, on remédie, on réoriente. Si on fait ça très bien, en revenant en arrière. Parce que la manière dont les choses ont démarré, il faut le dire, moi je ne sens pas, je ne le sens pas très bien, qu'on va réussir autant que si on avait préparé les enseignants avec une session de formation. Je suis fatigué et pessimiste. Amadou en tant qu'ex-enseignant, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le système d'enseignement primaire au Niger <laughs> Merci, monsieur Mokhtar. Je suis enseignant et je le demeurerai toute ma vie, plaise à Dieu. Donc, je ne suis pas ex <laughs> enseignant merci. Et vraiment, je voudrais saluer euh, mes collègues euh, et particulièrement le directeur pour euh, avoir bien voulu être à ce forum avec nous. Le camarade de SG, de toutes les façons, lui, c'est la lutte continue. Quoi. Hein. Ah, Donc, <laughs> il n'y a pas de problème. Il faut effectivement avoir l'honnêteté de reconnaître que notre système, de façon globale, a besoin de réformes qui puissent permettre euh, de lui redonner vraiment les, notre dénoblesse euh, en matière de qualité. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit c'est vrai que toute réforme, on en a peur, on a toujours peur du nouveau d'ailleurs. Donc, mais de façon globale, il faut dire que nous encourageons beaucoup les autorités à aller vers dans le sens de pouvoir faire remonter la cote de la qualité de l'éducation dans notre pays. Ça, c'est un premier aspect. Mais moi, j'aurais voulu, euh, effectivement, comme l'a dit un peu tout à l'heure euh, le sujet, euh, on aurait voulu que ça intervienne beaucoup plus longtemps parce qu'il y a longtemps que, ne serait-ce que sur les demandes des populations nigériennes, des communautés nigériennes, ne serait-ce que sur la demande de tous ceux qui sont acteurs du secteur de l'éducation, déjà à l'époque, il y avait assez de signaux qui démontrent qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Bon, malheureusement, euh, il faut toujours attendre que quelque part un partenaire technique et financier puisse dire que oui, euh, vous faites mal, donc revenez. À ce moment, on, s'engouffre. C'est comme si, toujours est-il que nous attendons la réorientation de notre système éducatif d'un autre euh, côté que, parce que, avant tout, c'est un système pour les Nigériens qui doit être piloté par des Nigériens, qui doit être exécuté par des Nigériens et pour servir les Nigériens. Il n'y a pas normalement à attendre que quelqu'un vienne le fasse. Maintenant que c'est arrivé, c'est une bonne chose. J'aurais voulu que, c'est vrai que peut-être euh, ça va venir dans les autres pans euh, du système éducatif, puisqu'il y a des retards euh, ailleurs. Je relève fort heureusement du secondaire. C'est peut-être maintenant que nous mettons en place euh, des étapes que eux, ils avaient déjà franchies et qui leur ont permis donc de mettre en place euh, un certain nombre de stratégies pour euh, toujours retrouver cette qualité-là. Bon, mais je pense qu'il faudra que nous ayons toujours à l'esprit que les choses doivent être faites sur un continuum qui puisse faire en sorte que de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire, passant par l'enseignement euh, technique jusqu'à l'université. C'est un continuum dont les failles d'un seul pan peuvent faire en sorte que le travail qui a été fait en amont puisse être euh, réduit complètement à euh, néant. Donc ça, c'est également un souhait très fort que nous avons. Maintenant, quand le directeur a intervenu, quand vous avez intervenu, le directeur a intervenu, déjà on sentait apparaître la, la parce que le problème, quand on dit programme rénové, quand on dit programme mise à niveau, mise à niveau vous voyez, et j'aurais voulu bien que, dès au départ, que, euh, effectivement, au niveau des autorités, qu'on ait retenu pour tout ce qui est euh, mise à niveau là, les termes stratégie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une terrible confusion qui fait qu'on ne sait pas, dès qu'on dit programme, on y a de l'amalgame. Aussi bien pour ceux qui communiquent, comme vous, que pour les enseignants sur le terrain parce que et vous allez entendre des gens vous dire, mais ce programme renouvelé ou ce programme de mise à niveau. En fait, il, faudrait, il faudrait comprendre que c'est comme une mère et son enfant. Le programme de mise à niveau, c'est comme il l'a dit, c'est une stratégie. C'est simplement qu'il y a besoin de faire un travail pendant un moment pour pouvoir redresser certains niveaux qui, qui se sont affaissés. Alors que le programme de renouveler, lui, il va être, euh, une fois qu'il est mis en œuvre, il va être stabilisé euh, sur une plus longue euh, période. Ça, c'est toujours le problème de la communication qui manque au niveau de nos ministères hein, en, charge de, l'éducation. Et ce qui fait que, en général, la communication de tout ce qui se passe au niveau des ministères est plus relayée par les syndicats, la société civile et vous-même de la presse. Et rarement, on a des, directeurs assez courageux pour venir dire que, bon, je veux faire ce débat, je veux faire cela parce que ça, ça fait partie d'abord de mes prérogatives, d'une part, mais que je maîtrise mieux que quiconque ce que nous sommes en train de mettre en œuvre et que quelque chose venant de moi fait à autorité de, loi. Si je veux de bonne foi, j'accepte. Si je ne veux pas, je n'accepte pas. Mais c'est ça la vérité des, choses. Donc, il y a ce problème de communication qui pourrait avoir été résolu au niveau des enseignants à travers l'ensemble de la hiérarchie. C'est vrai que la motivation des enseignants, quelle qu'elle soit, moi je ne la vois même pas sous la forme euh, pécuniaire, mais je la vois parce que souvent les enseignants qu'on leur dise que le directeur, monsieur le directeur est venu et qu'il va les rencontrer pour leur expliquer quelque chose. Ça, leur fait, ça les fait grandir. Mais écoutez, Donc, ça veut dire que c'est des solutions aux problèmes relatés tout de suite par le SIG du Sénat. Oui, naturellement. Ça, veut dire qu'il y a des enseignants. Moi, j'ai des collègues à moi. On a fini l'université depuis 1984, Mais ils ne sont plus revenus à Niamey. Donc ça veut dire qu'il y a des, des qui, eux, n'ont pas passé par l'université de Niamey, qui ne sont jamais venus à, Niamey, qui n'ont jamais vu un directeur, a plus forte raison le ministre. Et que le jour où ils ont cette opportunité, ça, ça, ça, que c'est plus motivant pour eux quand ils mettent en œuvre parce qu'ils auront compris. Et puis, deuxième aspect, il fallait leur donner également l'opportunité de pouvoir faire le même diagnostic qui a été fait dans les bureaux avec des techniciens assez aguerris il fallait leur donner toujours cette opportunité d'analyser de, eux-mêmes leur système éducatif, de se donner, de leur donner vraiment cette occasion qu'ils sont responsables de ce système éducatif et ils contribuent à son amélioration. L'autre euh, aspect, moi, que je voudrais un peu souligner, c'est la période effectivement de trois mois, comme l'a dit. C'est vrai que c'est bon sur trois mois, mais c'est long. C'est vrai qu'il y a une catégorisation des élèves, mais quand vous prenez à Niamey, nous c'est même nos enfants souvent qui se plaignent parce qu'ils ont l'impression que ceux qui sont bons, bon, on a dit deux catégories. Or, quand vous avez une troisième catégorie de ceux qui savent déjà lire, qui savent, etc., etc., ils sont dans un niveau, on les maintient euh, dans un groupe où ils se demandent même que, bon, ils ne se comprennent pas, ils n'avancent pas, ils sont toujours en train de faire que déjà des choses, qu'ils ils connaissent. Donc, ça, c'est également un problème quand ça dure sur les trois mois. Dernier aspect que je voudrais souligner, c'est normalement un enseignant professionnel devrait être capable de mettre en place ce dispositif que le ministère vient de lui mettre euh, sous la main, avant même que le ministère ne, lui demande. Parce que ce qui se passe malheureusement sur cela, on prend une classe et personne ne s'occupe du niveau de, de la classe que je prends. Les enfants que j'ai en face de moi, qui sait faire quoi, qui à quel niveau, qui, qui sont les prérequis, personne ne le fait. Alors qu'en réalité, c'est extrêmement important de pouvoir être capable d'avoir un prétexte en prenant des élèves, être capable de les catégoriser et être capable de proposer pendant un, bon, un petit moment des, des rémédiations qui puissent leur permettre d'avoir un nouveau à peu près homogène qui puisse te permettre de construire le savoir, le savoir-faire, etc., au niveau de ce niveau précis. Malheureusement, ça ne se faisait pas et je pense que pédagogiquement, c'est à cela que c'était important d'avoir ce dispositif déjà mis en place, euh, faciliter un peu la, tâche euh, aux enseignants euh, de terrain, mais également, moi j'avais voulu, et c'est une question à ce niveau, quel lien tout ce qui est en train de se faire a avec les écoles normales d'instituteurs pour que ça puisse être intégré dans le cadre de la formation initiale des enseignants, de façon à ce que ceux qui viendront sur le terrain, même si, parce qu'on ne peut pas continuer à faire <laughs> la stratégie de mise à niveau euh, à vie, mais il faudra que ça soit pris en charge quelque part, et ça ne peut être, ça doit commencer à partir de, l'école normale. Tout, ça, tout, cela, c'est des pistes de solutions, Elhaj Amadou Mohamadou. Ali Issa Willy, vous avez euh, écouté les préoccupations euh, posées par euh, le, secrétaire général du SINEN, Issa Comment surmonter ces difficultés Merci. J'ai écouté vraiment avec intérêt les interventions de nos partenaires. je voudrais quand même, pour une meilleure compréhension des choses, procéder par étapes. En ce qui concerne la participation, des partenaires, des autres partenaires, particulièrement les partenaires actifs en éducation pour, pour le programme rénové. je voudrais rappeler à mon camarade SG que nous avons en tout cas pris les dispositions d'associer tout le monde, depuis la région jusqu'au niveau national. Des correspondances ont été envoyées à tous les syndicats qui étaient vraiment actifs en, en éducation pour apporter leur contribution. Et il y a eu au moins deux rencontres à Niamey, au cours desquelles moi j'ai noté quand même la présence d'un certain nombre de partenaires, dont notamment euh, le SNEM. E Donc euh, l'élaboration ou la rénovation du programme a été vraiment participative. J'ai noté avec intérêt euh, aussi dans leurs propos le fait que tout le monde est d'accord que ça ne va pas et puisque ça ne va pas, il faut rénover. Il faut avoir le courage de prendre des initiatives. Et c'est ce que nous avons eu à faire. Le ministère s'est engagé depuis l'évaluation des enseignants euh, contractuels à chercher les voies et moyens par lesquels il faut changer la donne et où il faut renverser la tendance. Et les fondations de base, c'est quoi De notre point de vue, c'est le programme d'abord et le reste ensuite. Et c'est ce qui nous a amené à s'engager volontairement, il faut le dire, et gratuitement à retoucher ce programme-là pour que ça soit beaucoup plus digeste, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. C'est quoi digeste Lorsque on s'était engagé à revisiter le programme, effectivement, avant cela, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire euh, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça ne va pas, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas Donc, euh, <laughs> pour nous, le programme étant la référence, si ça ne va pas, c'est d'abord la référence qu'il faut interroger. ça veut dire que vous allez corriger bien, ce n'est pas qu'on nous allons corriger. Nous avons déjà corrigé en ce qui concerne le programme rénové. Parce que moi, je fais le distinguo entre le programme, de, mise à niveau, niveau si vous voulez, on va, parce qu'il y a des précisions à apporter là-dessus, et le programme rénové. Parce que le programme rénové, c'est le programme de 1988 que nous avons repris. Mais nous l'avons repris en quoi Pas dans sa philosophie, pas dans sa vision. Nous nous sommes rendus compte que dans ce programme-là, le goulot d'étranglement existe au niveau des savoirs qui doivent être enseignés aux élèves, et notamment dans les matières fondamentales. En français, il n'y avait pas d'autres savoirs à ajouter ou à enlever, mais il y avait un problème de didactique à enseigner certains savoirs. Nous les avons repensés et nous les avons intégrés dans ce que nous avons appelé le fascicule qui accompagne euh, la, mise en œuvre du programme. Au niveau des mathématiques, c'est là où il existe le gros problème. Là, il y avait quatre disciplines, euh, quatre matières, pardon, qui étaient contenues dans la discipline mathématique, à savoir la géométrie, la mesure, l'arithmétique et une autre matière appelée logique et raisonnement. Nous l'avons jugée superflue. Nous l'avons enlevée. Les activités en termes d'exercice qu'il y avait au niveau de logique et raisonnement, c'est des, des, des raisonnements mathématiques. Ça se retrouve dans la géométrie, dans la mesure, dans l'arithmétique ou les trois combinés. Donc il n'y a aucun problème, on a supprimé euh, cette euh, euh, matière-là, parce qu'il n'y avait pas matière en, réalité. La, parce que la matière, c'est quoi C'est sur quoi le savoir sur quoi on travaille. Quand vous prenez l'arithmétique, la matière, c'est les nombres sur lesquels les élèves vont travailler. Quand vous prenez la géométrie, la matière, c'est les figures. Quand vous prenez la mesure, la matière, c'est effectivement, je vais me répéter, c'est justement ces mesures-là, en termes de longueur, en termes de capacité et tout ce qui s'ensuit. Mais quand vous prenez logique et raisonnement, il n'y a pas matière parce que la logique et raisonnement n'est pas propre à une discipline elle n'est pas propre seulement aux mathématiques, elle est propre à toutes les disciplines et d'ailleurs à toute la vie mentale de l'individu. Il, y a une logique et un raisonnement qui doit expliquer ses actes. Donc euh, c'est pour ça qu'on a dit il ne faut pas garder les choses en superflu. Maintenant, en termes de contenu, quand vous prenez les matières, il y a des savoirs qui sont enseignés aux élèves, eh, eh, aux élèves du primaire que nous avons considérés comme des savoir au-dessus de leur capacité intellectuelle à pouvoir les appréhender. Ça ne sert à rien. L'apprentissage, ce n'est pas une course contre la montre, ce n'est pas d'aller vite à des savoirs, mais de mettre les élèves en situation d'apprendre des savoirs qui ont un sens pour eux, à partir desquels eux-mêmes peuvent construire des réseaux de pensée. Ce n'est pas une question de savoir supérieur qu'il faut apprendre très tôt pour être euh, bien parti. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, ce sont les vrais savoirs les savoirs élémentaires sur lesquels l'enfant peut raisonner et qu'il peut construire lui-même sa pensée. C'est ça qui développe sa capacité à pouvoir accéder à des niveaux supérieurs. Donc on a élagué tout ce qui avait comme contenu superflu, aussi bien en géométrie, en mesure et en arithmétique. C'est notamment ce, que nous a, euh, ce qui était euh, dans, euh, appelé symétrie axiale. Je ne sais pas si vous savez de quoi on parle. Les translations, et il y a des choses qui ne sont pas des savoirs, mais que les enseignants enseignent comme des savoirs qui sont des langages mathématiques. C'est le cas des signes supérieurs ou égal, inférieurs. C'est le langage. Mais les enseignants les enseignent comme étant des savoirs et les élèves eux-mêmes ne peuvent rien comprendre de tout cela, alors qu'il y a des choses très simples pour comparer un nombre ou pour comparer des nombres. Il y a également les machines. C'est un langage mathématique qu'on a retrouvé dans ce programme-là, d'ailleurs, qui n'existe nulle part. Parce que ce qui est derrière ce concept de machine, je ne peux pas l'expliquer ici, mais en fait, on le dit, mais les élèves ne comprennent rien. Parce que ce n'est pas le fait de dire que c'est une machine que ça se met en mouvement. Parce que l'idée de machine, ça veut dire que c'est quelque chose en mouvement. Or, quand vous dites à l'élève machine, ça, ne met pas dans sa tête qu'on est en mouvement. tout, tout simplement, c'est une lourdeur d'expression qui vient aggraver ce qui était simple. 5 plus 5 égale 10. Quand on dit 5 machines plus 5 égale 10, je pense qu'on a alourdi l'expression et inutilement. Donc, on a enlevé tout ce qui paraît être du superflu. Donc, c'est un programme simple. Simple, digeste, facile à enseigner et donc tout naturellement qui facilite également l'apprentissage chez les élèves. Rapidement, Alaji Amadou Mohamadou, quels sont les chantiers sur lesquels Open Niger attend le plus le gouvernement rapidement ben, rapidement, moi j'attends le. Quand vous dites gouvernement, je vois bien que eh, je reprends eh, la formule holistique de, l'organisation de notre système eh, éducatif, où je voudrais voir que l'ensemble des, réformes déjà amorcées au niveau de, l'enseignement primaire puissent se répercuter sur les autres chaînes, de façon à ce que cela puisse permettre de pérenniser euh, les acquis au niveau des réformes de l'enseignement primaire et euh, donc euh, espérer que nous puissions avoir des niveaux de, les, niveaux de nos enfants assez bien dans l'ensemble. Parce que je suis convaincu que les Nigériens d'aujourd'hui ne sont pas différents des, des Nigériens de 1960. Et c'est certain que ceux d'aujourd'hui, d'ailleurs, ont certaines conditions que nous n'avions pas à, l'époque. Ce ne sont pas, euh, comme certains débats veulent le dire, euh, retourner à J. la famille. Parce que vous savez, le problème, c'est que euh, on veut souvent rester accroché à un passé qui est définitivement révolu. Ce n'est pas donc tant cela. Ce n'est pas tant le fait que nous voudrions coûte que coûte que les enfants d'aujourd'hui eh, puissent avoir peut-être des meilleures performances que ceux d'avant. Mais c'est de pouvoir organiser l'éducation de façon à ce que ça aboutisse à une réforme euh, de, de, de la communauté nationale qui fait en sorte que cette communauté-là. Et c'est là d'ailleurs le profil. Mais Avoir des la mise en œuvre de, ce genre de programme nécessite l'implication des partenaires de l'éducation tels qu'Open Niger et la création des conditions, des meilleures conditions de vie et de travail euh, des enseignants. Nous, nous apportons notre partition. Quand nous faisons ce débat et que nous disions officiellement et de, à forte voix que nous soutenons cela, je pense qu'il n'y a pas euh, autre chose à faire. Ça, c'est euh, le premier, euh, le aspect. premier euh, aspect. Le second aspect, c'est naturellement dans les cadres du, travail qui est fait pour que telle chose puisse marcher. Si nous sommes impliqués, nous allons apporter notre... notre... Pierre à Il se trouve que souvent, les, les quelques... heureusement que peut-être nous n'avons pas abordé les volets non formels, où c'est un peu le faire-faire, mais la plupart des structures de la société civile qui contribuent à l'amélioration des, indicateurs de, l'éducation au Niger le font sur la base du faire-faire au niveau de l'éducation, euh, de l'éducation non formelle. Donc nous sommes appelés au moins à voir qu'est-ce que l'État fait et que nous, nous puissions apporter également une contribution euh, de ce côté. Mais l'un dans l'autre, je voudrais vraiment que ces réformes-là puissent se pérenniser sur l'ensemble du système et permettre à ce que, sans beaucoup de retard, parce que je vous ai dit, le primaire est déjà en avance par rapport même à l'évaluation. C'est maintenant que le secondaire va probablement à partir de janvier lui emboîter à le pas. Et après, il y aura un certain nombre de mesures. Mais il faut que ce soit des mesures concertée. Tant qu'on reste euh, vraiment cloisonné, primaire à part, secondaire à part, à part là, réellement, on n'arrive pas à tirer la substance, le nectar de, de, de, ce qui est fait au niveau de l'enseignement primaire et qui est important à être valorisé par le secondaire, par l'enseignement, la formation technique, par euh, l'université également. Issoufou quelle est la situation des enseignants dans les différentes zones d'insécurité Ok, rapidement, je vais, je, finir avec ça. Je sais que le temps est terminé. Rapidement. Euh, heureusement, là, j'ai appris une de mes préoccupations, le caractère holistique du système. Est-ce qu'en concevant ces programmes-là, la même erreur qui a été commise auparavant, elle a été corrigée Parce que qu'est-ce que le primaire prévoit de fournir au, secondaire et à la formation et, professionnelle et technique. là en a parlé. Maintenant, par rapport à la participation, je dirais qu'il y a une amélioration. Monsieur le directeur, auparavant, on nous appelle à des ateliers de validation juste pour faire valoir les choses. Il y a une évolution, mais ce n'est pas la totale. participatif, ça veut dire que dès le début, nous étions là. Mais nous n'y étions pas. C'est quand les fascicules avaient été eh, déjà faits, on nous a dit qu'il y a eu un travail en région, au niveau des inspections, au niveau des, régions, jusqu'à ce qu'on soit eh, amené à, élaborer un, draft national. À ce moment-là, on nous a appelés pour faire les tours dans les régions, c'est vrai. Nous avons envoyé notre chef des affaires académiques et pédagogiques eh, qui avait participé. On s'est retrouvé au niveau de la région de, Niamey pour valider. Je ne dirais pas comment ça s'est. Ah, tous ceux qui participent aux ateliers de validation savent comment. De toute façon, ce n'est pas tous les qui sont pris en charge. Vous avez fait un pas dans l'implication, mais euh, dire que c'est participatif, j'ai dit non. Il y a eu une évolution dans euh, l'implication, mais participatif, vraiment, c'est beaucoup de. Il a été plutôt consultatif. Parce que lorsque vous finissez votre travail et que vous appelez quelqu'un, c'est de la consultation c'est qu'il n'y participe pas. La situation. Alors maintenant, maintenant, et ce que je voudrais, vraiment, vous avez pris un débat, un sujet assez important où on a beaucoup de choses à dire sur le programme rénové. Mais bon, puisque apparemment le temps est parti, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce que le, docteur a dit, pas en le contredisant, mais aussi en, apportant, un certain nombre de, précisions. Mais je vais aller à la question de la sécurité, comme vous l'avez dit. Vous savez, la question de, la sécurité est aussi quelque chose qu'il faut mettre dans le cadre des risques et pouvant entraver la mise en œuvre d'un programme. apparemment, ce n'est pas fait. Mais vraiment, on a rencontré le ministre avec euh, le camarade al euh, Alagi pour parler justement de cette question des enseignants et des écoles dans les zones d'insécurité. Pour vous dire qu'on s'occupe de tout, on fait attention à beaucoup de choses. Mais le ministre nous a étalé un certain nombre de stratégies prises par le gouvernement. Une chose est sûre, la solution, elle est militaire, elle est claire quelle que soit la stratégie de sécurisation des écoles et, de, comment on appelle ça, de permettre à l'école de continuer. Le Niger, je crois, a souscrit aux lignes directrices de protection des de Solo. Il l'a fait. On a, on a internalisé ça ici avec des militaires. Donc le Niger doit faire en sorte que, en respectant ces directives-là, que l'école continue même en zone de conflit. Mais est-ce qu'on peut imposer dans une guerre asymétrique à quelqu'un qui ne respecte pas les conventions de respecter des lignes directrices au risque de soumettre, d'exposer nos militaires qui eux vont respecter les règles et l'autre ne vont pas les faire. Donc, et les militaires, maintenant, comment l'armée va faire pour que la stratégie que je ne vais pas décliner, c'est serait bête de le dire, que le ministère nous a décliné la stratégie qu'il a trouvée pour permettre aux enfants et aux enseignants de continuer leur activité académique et d'apprentissage puisse être réalisée Là, c'est à l'armée, en collaboration avec le gouvernement et les ministères de l'éducation, de dire comment il faut le faire. Mais sinon, nous sommes menacés. Nous sommes menacés par les, groupes extrémistes. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus menacés, même par la population. Pourquoi Pas par la volonté de la population. Parce que la, présence d'un enseignant dans une communauté lui attire, en tout cas, les le courroux des, extrémistes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enseignant ne sait plus à quel sein se vouer. Et nous avions lancé un appel au ministre de l'enseignement primaire. Lorsque il y a un danger pour l'enseignant dans une zone. Dites à vos inspecteurs de faire moins de zèle, à imposer à l'enseignant à retourner. Un inspecteur avait imposé à un enseignant de retourner. L'enseignant est parti, je vous assure, c'est en revenant. Il a senti la menace, la population lui a dit de quitter. Il quittait, les groupes extrémistes venaient de la ville et ils l'ont cherché. Donc il faut qu'on comprenne quand il y a des, dangers. L'enseignant qui a fait des années à un endroit, il, met sa, sa, vie en sécurité. Vous, par zèle administratif, non, il faut que tu retournes ou tu en abandonnes des postes. En tout cas, nous avons lancé cet appel au ministre. J'espère qu'il a appelé pour qu'on apaise les choses et qu'on aille vers, en tout cas, la mise en œuvre de cette stratégie déjà élaborée par le. En définitive, euh, le programme euh, rénové avec euh, les fascicules qui l'accompagnent vise à créer les conditions idoines pour sa mise en œuvre et à amener les acteurs du domaine de l'enseignement primaire à s'approprier des dispositifs de mise à niveau. Nous sommes au terme de ce forum studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ali Issaouili, directeur de la qualité au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Issoufou Arzika, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger et coordonnateur de la Fédération unitaire du syndicat de l'éducation au Niger Fusen et Elhaj Amadou Mahamadou, coordonnateur de l'Observatoire des performances de l'école Nigeria Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.